C'est une validation parce que code électoral defe l'article article L39 je crois monnaie, s'il y a une élection anticipée on reconduit le fichier existant ah. loolu moo waral amul primo votant il vote ci élection aujourd'hui mm. les Sénégalais doivent savoir Qu'il y a au moins 2 millions cinq électeurs qui ont un fichier te mm. euh, révision exceptionnelle mm. Donc, dès l'instant que le code électoral a réglé ça, et que Diaz a voté à la dernière élection, à la dernière élection législative, pourquoi euh, naan dañ ko invalider ou pas parce que procédure si tax ñu génn ko ci fichier amul en réalité La mm-hmm. procédure boobu noonu Macky Sall ak Aïssata Tall nous ko def mm-hmm. parce que quand Bart a été condamné mm-hmm. dafa am ñaar yu qui am été moy ben ñu bind président assemblée nationale a ko décision pour procéder à sa radiation comme député ça n'a pas été fait ñaar ñu bind ministre de l'intérieur jox ko décision de justice pour procéder aux formalités de radiation du fichier électoral ça n'a pas été fait kon on bu boobaa nag mënoo ñëw nga bëgg appliquer que noonu loolu mooy nga jël Ousmane Sonko radiation fichier électoral n'est-ce pas mm. avec le juge Sabassi Faye mm. mhm. ñu devons ko nous noonu la cour suprême mm. casser décision il noonu indi Dakar le juge de Dakar a confirmé ce que Sabassi avait fait exactement après l'agence judiciaire de l'État bi fi nekkoon Moussa Diallo d'abord recours à la cour suprême ñu war acter atte la loi d'amnistie am mu dem radier procédure bi ah. la décision elle est définitive Ousmane Sonko est dans le fichier mmh, c'est du bon sens c'est du droit mmh, parce que yow déjà dañ la dit que a génnee génneewuñu la ka demoon ne nañ la génnee delluwaat fa ñuy àtte ne maa ko clamé woon mmh. clameetuma mais il est dans le fichier kon yàpp on peut pas pour moi, c'était pas bon logique pour logique je moo une autre décision moo ma ah mais que je ne suis pas du tout surpris de la validation de gaz comme de la validation de son Sonko non sur les deux points non sur les euh, euh, deux peut-être que indiqué moi moi le